J'adresse très humblement mes très vifs remerciements à Monsieur le Président Macky Sall pour cette haute marque de confiance et son appui constant qui nous ont facilité l'exécution de cette mission exaltante mais exigeante. Je lui renouvelle aussi toute ma disponibilité et tout mon engagement à travailler à ses côtés pour l'émergence de notre pays qui lui est si cher. Au demeurant, je félicite très chaleureusement Madame le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, ma sœur, Madame Victorine Day, pour sa nomination à la tête de ce département ministériel. Je lui souhaite également plein succès dans cette noble et intéressante mission. Il faut dire que si au niveau international, les avancées notées se mesurent à travers la forte implication de notre pays dans l'élaboration de documents cadres, telles que la résolution des Nations Unies sur l'ESS. Au niveau national, par contre, notre performance est fortement liée à l'élaboration et l'adoption d'un cadre juridique innovant qui structure désormais le secteur. Ainsi, nous avons pu enregistrer des, des résultats notables qui montrent clairement la contribution de la microfinance dans l'inclusion financière, économique et sociale des populations. En tout état de cause, il urge de retenir en définitive que des résultats très encourageants sont obtenus au sein de ce département. Et pour cela, j'adresse mes très vifs remerciements à tous mes collaborateurs pour l'accompagnement, le dévouement et la loyauté qu'ils n'ont cessé de me manifester tout au long de notre collaboration. mais euh, sama E, ministre Zahra Iyane Thiam. bu ma xoolee ca na mu doon taxawee conseil des ministres taxaw tem di défendre secteur am njort naa ni bu ma jëlee ay tànkam gëm naa ni baax baax rek lañ ciy gis. te mu ne ma mu dalal ci sama xel ne ma ñi ngi fiy fekk ay liggéeykat lañ ñi ngi fiy fekk bëgg nañ seen liggéey am nañ ci pas-pas kon foog naa ni fi mu toll nii. Euh, yaakaar gi ñu am sas gi ñu sas te fast track biñ ci war a boole euh, yaakaar naa ni tiit xaju fi ragal xaju fi ndax compétence yaa ngi fi engagement baa ngi fi te euh, may wax rek ni la ngeen ci soxla ci teewaay ak taxawaay ak engagement ak portage soobe yàlla di ngeen ko am ci man di ngeen ko am ci équipe bi may ñëwal tey it dinañ ko am ndax ñun ñëpp bu ñu bokkee nekk benn say di xàccandoo di dóorandoo gëm naa ni résultat yi ñu bëgg dinañ ko am bu soobee yàlla